STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager. ravie de vous retrouver sur euh, Tambra Télévision. Monsieur Daman, bonsoir et bienvenue à cette euh, édition d'information et et bonne rupture de jeunes. Cela dit, Idrissa euh, Deby Itno, maréchal de la République du Tchad, n'est plus. Il est décédé suite à des blessures qu'il aurait reçues sur le front de batailles contre la rébellion venue de la Libye. Il sont allé comme il est venu, c'est-à-dire arme en main. Seulement, sa disparition risque de créer une grande insécurité dans la région du Sahel. Qu'en pense le journaliste Moussa Aksa, membre du réseau des journalistes sur la sécurité par rapport à, cette question On le suit. Si ces autorités continuent dans le même esprit de lutte contre le terrorisme. Euh, et je pense que euh, ça ne changera pas grand-chose. Mais par contre, si elles, euh, si fléchissent, ça risque d'impacter sur la lutte contre le terrorisme, notamment au, Mali, dans le bassin du lac Tchad et dans la zone des trois frontières. ce qu'il faut aussi souhaiter que ces nouvelles autorités de transition ne rappellent pas leurs troupes qui sont engagées sur tous ces théâtres euh, d'opération. Parce que, comme vous le savez, les, forces armées tchadiennes sont engagées dans le lieu du lac Tchad, où elles continuent à faire euh, un travail excellent dans la lutte contre euh, Boko Haram. Et dans la zone de transfrontière, vous les avez vus arriver, c'est tout un bataillon qui, qui, a été positionné au Niger pour euh, lutter contre euh, les groupes euh, terroristes qui les groupes terroristes qui sont dans cette zone et ensuite vous avez aussi sur le territoire malien les forces, ces forces armées tchadiennes continuent à lutter contre le groupe terroriste qui sont au Mali. À l'instant que les autres pays du G5 Sahel, les autres pays non du G5 Sahel, devraient euh, prendre en compte cet état de fait et poser cette équation-là au cas où ces troupes seront rappelées comme vous le, euh, au Tchad, comme vous le savez, à une rébellion aujourd'hui qui dit euh, qu'elle est, contre le fait, fait, que le, le, fils du président Déby prenne le pouvoir. Donc la lutte armée va continuer et il faut craindre que ces troupes-là soient euh, rapatrier au, Tchad pour euh, prêter main forte aux, autres forces qui sont engagées sur le théâtre des opérations. maintenant, ça dépendra de comment ces chefs d'État du G5 Sahel vont coordonner leurs actions. Euh, c'est dès maintenant qu'il faut poser cette équation pour voir dans quelle mesure euh, dans quelle mesure le remplacer ces, forces tchadiennes euh, qui, qui, qui, qui, combattent à leur côté euh, dans, dans, toutes ces, dans toutes ces zones d'opération. Et je pense qu'en ce moment-là, il y a une urgence. Et cette urgence, il faudrait que euh, les, les, pays du G5 Sahel prennent en compte le départ des troupes tchadiennes et comment faire en sorte que ce trou qu'ils vont laisser soit comblé par des, forces, euh, forces euh, qui seront engagées dans la lutte contre le terrorisme. Vous avez le lit du lac Tchad où les, forces tchadiennes ont un nombre important euh, d'éléments dans des zones au Mali et au niveau des zones de trois frontières prions pour que la situation au Tchad ne se détériore pas. Sinon, nous allons être pris encore, le euh, taux va se resserrer autour euh, du Niger qui constitue ce verrou contre, euh, dans la lutte contre le terrorisme. on sera pris à, de, la frontière du Tchad. Déjà, il y a une incursion d'éléments, les rebelles, le long de notre frontière avec le Tchad. Vous avez aussi la zone des trois frontières vous avez aussi euh, euh, la, zone dans le, but du lac Tchad, qui la frontière malienne, plus la frontière libyenne. Donc euh, en ce moment, je pense que les nouvelles autorités doivent être conscientes de cet état de fait-là et il faudrait qu'il y ait une solidarité nationale, il faudrait que les gens se retrouvent ensemble pour parler de cet état de fait et voir quelles solutions y apporter célébration se jour 21 avril 2021 de la journée mondiale de la créativité et de l'innovation. À cette occasion, une de nos équipes est allée à l'artisanat du musée national pour parler de la créativité et de l'innovation. Le point avec Zainab Kadra et Ibrahim Kantama. Initiée par les Nations Unies en 2002, la Journée mondiale de la créativité et de l'innovation est célébrée à travers le monde tout entier dans le but d'inciter les gens à utiliser leur créativité et libérer leur plan potentiel artistique créatif. Musique, dessin, danse, littérature, audiovisuel et médias, à la découverte des solutions dans plusieurs domaines scientifique, économique, sociaux et même dans le développement durable. kuma rana ce wadda ya kamata mu mu hadu matsalolinmu bisa harkar kere-kere wanda muka yi tunda yanzu ake hannu ya zama abu ne wanda in an tallafa mai duk duniya ga tana iya ma sanin gari da dalilin shi yanzu akwai ma'aikata hannu da yawa da ba samu tallafi da ya kamata ba wajen mutane da wajen guvernamokin dalilin haka ne ya to yanzu ba ma'aikata da yawa a yi to wanda ma ake ciki bai samu ba balle a yi kare sauran jeneskin ta shiga cikin aikin to wallahi cikin yanzu aiki da muke mun samu ci gaba da yawa na harko sani bisa harka aiki kuma mutu ya samu sani na wajen mutane La créativité et l'innovation font partie des facteurs qui portent un changement durable dans un pays car un travail collectif contribue dans la construction d'un monde de demain tout en informant le monde de l'objectif que vise cette journée. Et juste une semaine après l'incendie du Pays-Bas qui a causé la mort de 20 élèves, un autre incendie s'est déclenché hier de l'après-midi à l'école primaire 3, 2, 1 et 2 mais heureusement, à part les dégâts matériels, aucune perte en vie humaine n'a été enregistrée. Le fait avec Ramatou Maru et Abdelraouf Deyabou. C'était dans les environs de 15h30 que cet incendie s'est déclenché à l'école Quado 1 et 5 de Tallagui dans la journée du mardi 21 avril 2021. C'est ainsi que plusieurs classes en paillettes de ces deux établissements ont été ravagées par cet incendie. Cependant, l'origine de cet incendie reste mieux connue. C'est du mieux ce que nous explique la directrice de l'école Quado 1. On a sonné à 15h30. J'étais en train de mettre de l'ordre dans la cour quand j'ai vu un groupe d'élèves en train de sortir dans la cour à toute vitesse. Donc je me suis demandé qu'est-ce qui se passe. Je voulais me diriger pour savoir pourquoi les élèves là sont en train de sortir de la cour quand j'ai vu le feu sur la première pâte là qui est à côté de, la porte, juste ici. Le temps que je dise aux enseignantes de mettre de l'ordre, déjà les pâtes qui sont ici au milieu de la cour ont pris feu. Donc, en un clin d'œil, les parents d'élèves de environnants ont porté secours à leurs enfants. Ils ont fait sauter les élèves par les murs et même certains enseignants sont sortis par les murs parce que les poètes étaient au milieu de la cour et il y a le feu ici. Donc les sapeurs-pompiers étaient venus pour éteindre le feu. Il y a neuf, neuf qui ont pris feu. Elles sont toutes calcinées les tables des tableaux à chevaler. Il n'y a aucune perte en vie humaine, il n'y a aucun blessé. C'est des dégâts matériels. Inquiets de la situation, aussitôt alertés, les membres de la section collège et lycée se sont rendus sur le lieu et c'était l'occasion pour eux de lancer un vibrant appel à l'égard du gouvernement. Vraiment, la situation est très désastreuse. Nous voyons avec amertume les dégâts qui se sont passés ici au niveau du euh, euh, au niveau de l'école primaire Et nous constatons aussi que ça ne fait qu'être une chose continuelle. Parce que c'est pas À moins d'un mois, nous avons enregistré plus de trois écoles qui ont pris fait. Donc cette situation, elle commence à être de plus en plus continuelle. Et nous, nous allons, nous allons pas fermer, nous allons pas regarder les choses se passer ainsi. C'est pour cela aujourd'hui, nous nous sommes mobilisés la section collège et lycée de la région de Niamey pour pouvoir venir faire le constat. Et on nous a donné comme bilan qu'il y a eu plus de 9 classes qui ont pris fait. Il y a eu plus de 65 tables qui ont pris fait, plus de 9 chevalier. Et heureusement pour nous, il n'y a pas eu de perte en vie humaine et de blessés. On envoie les élèves pour venir étudier et non pour les mettre en danger. Si les autorités ne peuvent pas construire des classes en matériaux définitifs, nous voulons plus à ce qu'ils construisent des classes en paillotte au niveau de la région de Niamey. Dans la capitale, il y, a, il y a des incendies qui se passent ainsi. Dans cette même capitale de Niamey, il y a des, il y a des camarades qui se font tuer dans les incendies. Et c'est là nous sommes en train de faire ce constat et nous n'allons pas accepter encore à ce que des classes en pâte soient construites au niveau de la région de Niamey. Nous sommes fermes et catégoriques par rapport à ce que nous venons d'affirmer. Notant que l'éducation est une des priorités du gouvernement, ces derniers doivent prendre des mesures appropriées afin de pallier à ces problèmes d'incendie des classes en paillettes qui prennent de plus en plus de l'ampleur. À titre de rappel, cela fait juste une semaine que l'incendie de l'école primaire Pays-Bas a causé la mort de 20 élèves, une situation qui interpelle le gouvernement vu le danger dans lequel se trouve la vie des élèves et des enseignants qui sont dans les classes en période. de santé dans cette euh, édition durant ce mois de Ramadan. Les bienfaits des fruits à la rupture n'est plus à démontrer car ils sont source de vitamines et de vertus sanitaires indiscutables. N'est-ce pas, comme un aliment végétal à la saveur sucrée, les fruits bien sélectionnés et consommés au bon moment contribue au maintien de l'énergie, surtout en cette période de ramadan, pendant laquelle le jeûneur s'abstient de la nourriture de la levée à la tombée du soleil. C'est pourquoi la consommation des fruits après la rupture du jeûne est d'une importance capitale. Par rapport au carême et par rapport à la chaleur, euh, les vitamines A et les vitamines C sont importantes parce que ce sont des vitamines qu'on appelle antioxydantes et le parc de propriétés antioxydantes sont, bénéfiques notamment contre les agressions euh, liées à la, chaleur. Ça, c'est euh, la première importance. Également, euh, par rapport à, aux fruits, l'autre importance, c'est la présence de sels minéraux. Et il y a des sels minéraux qui sont particulièrement importants en période de ramadan, notamment parce que euh, ces, sels minéraux-là euh, jouent un rôle dans euh, les échanges d'eau. C'est notamment le cas du potassium. Donc le potassium, on trouve beaucoup de sels minéraux, beaucoup de sels minéraux dans les, fruits et cela justifie l'importance de consommer les, fruits. Et troisième élément important par rapport aux fruits, c'est la présence de fibres alimentaires. Et ça également, c'est important parce qu'on sait que pendant le ramadan, il y a beaucoup de personnes qui vont souffrir de constipation. Et naturellement, pour éviter la constipation, euh, l'un des moyens, c'est de consommer des aliments riches en fibres alimentaires et les fruits sont riches en fibres alimentaires et donc favorisent une meilleure digestion. Maintenant, en plus des vitamines, en plus des sels minéraux, en plus des fibres alimentaires, Élément aussi à ne pas négliger, c'est que les fruits, euh, certains fruits, beaucoup de fruits contiennent de l'eau. Parce que quand vous prenez certains fruits, notamment la pastèque, euh, elle peut contenir jusqu'à 90% d'eau. Quand vous prenez euh, la mangue, elle peut contenir des quantités importantes d'eau. Donc c'est pour simplement dire que le fait que les fruits contiennent de l'eau, donc c'est un élément important, ça permet une bonne hydratation de, de l'organisme. Cette année, le jeûne du ramadan tombe durant cette période chaude, une raison de plus pour les jeunes de consommer les fruits. notant que sur les marchés, les fruits sont disponibles et accessibles à toutes les bourses. Et comme chaque année, en cette période de chaleur, les habitants de plusieurs quartiers riverains de la capitale face à un problème d'eau lié aux coupures d'eau. Le point avec euh, Zonovo Gagara et Abdoumasser Abdou. L'eau est une substance indispensable pour toute forme de vie sur Terre, surtout en cette période de forte chaleur. L'eau est une nécessité absolue. Cependant, l'accès à cette denrée indispensable relève d'un véritable parcours de combat dans certains quartiers de la ville de Niamey, comme c'est le cas ici au quartier Pelaye, où les habitants de ces quartiers font face à un sérieux problème d'eau depuis le début de cette période de chaleur. to nan kuma mun ko in inda ruwan ga bar aikin to kuma ma mun samu matsala tun da ta kwana ko suna matsa mana akwai ruwa mun hana musu mun kace a'a ba babu ruwa ne ba inda zai rana ta bar aiki shi ma abin sai ya bar aiki to sai su ce a'a mun kiyare na sai to sai na bude duka bakin barfu su gani ruwa sun ki zuwa da Allah ya sa akwai wani oji suna nan suna gode inda ruwan ka kai in ya gwadi sai abin da sai da lokacin da doyana tana tana rage shi ma igin sai shina shina taya shina shina taya sai ya kai yaka to yanzu duk na yadda da sun gane na samu kaina da sun zo sun diba igin na ce a ah, babu ruwa babu ruwa ce to na samu kaina kenan <laughs> to ka gani to kai wallahi akwai matsalar ruwa nan gaskiya akwai matsalar ruwa muna samun matsala kwarai kuma rigima har akai ana yi ne to dan shi ban san gusa wani bi in nace in gusa wallahi da shi da da nace zan taya masallaci La question de l'accès à l'eau potable se pose encore de nos jours avec acquitté, même dans la ville de Niamey. Il est donc impératif que les autorités revoient cette politique de l'eau pour en finir avec ce problème récurrent en milieu urbain et rural. Il faudrait ainsi tout faire pour alléger les souffrances des populations, surtout en ce mois béni du Ramadan. Et c'est la fin de cette édition d'information sur la Télévision. Merci à vous de l'avoir suivi.